Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre forum Espace Femmes. Espace Femmes est une émission du studio Kalangu qui traite des questions concernant les femmes et les hommes. Vous pouvez nous suivre chaque mardi sur les ondes de 52 radios partenaires dans tout le Niger à partir de 18h15 minutes. Au Niger, la journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai symbolise la marche historique du 13 mai 1991 par les femmes nigériennes, une date qui est considérée par beaucoup comme un tour de la participation à la vie publique des femmes au Niger et de la modernisation des lois en leur faveur. Alors, 32 ans après la marche du 13 mai 1991, quelles sont les avancées C'est le thème de notre forum Espace Femmes aujourd'hui. Quel est l'historique de cette date De 1991 à aujourd'hui, y a-t-il eu des avancées Quelles difficultés continuent-elles de rencontrer dans leur vie politique, sociale, culturelle, professionnelle, etc. 32 ans après cette marche, est-ce que leurs revendications ont apporté leurs fruits Que faudra-t-il faire pour promouvoir les femmes au Niger Dans cette émission, nous allons apporter les réponses à ces questions en compagnie de Madame Adamou Hawa du ministère de la Promotion de la Femme, Direction de la Protection des Droits des Femmes, et de Madame Thiari Falmata qui représente la Congafen, la coordination des ONG et associations féminines du Niger. Je suis Rafika Taher à la présentation. Nous allons tout d'abord commencer avec l'historique de cette journée du 13 mai 1991. Alors, Madame Chiari, euh, que doit-on savoir sur cette journée Et c'est une journée, je vous remercie d'avoir, de m'avoir donné la parole sur ce plateau du studio Kalangu euh, pour nous exprimer. Et cette journée est une journée mémorable parce que dans les huit départements du Niger, c'était des départements, euh, les femmes se sont réveillées tout d'un coup, euh, comme un seul balai, pour battre le pavé. Pourquoi Parce qu'il y a eu une sous-représentativité des femmes à la préparation de la conférence nationale souveraine en 91. Les femmes étaient sous-représentées. Il me semblait qu'il n'y a qu'une seule et nous, on était à Douceau en ce moment, j'étais professeur. On a fait les travaux préparatoires. Ils nous ont demandé de venir préparer quelque chose sans pour autant dire que c'est à Niamey que la conférence va se dérouler. Donc les hommes ont pris les documents, et ils sont partis à Niamey. Vous voyez, aucune femme n'a assisté. Et ce n'était pas le cas seulement de Douceau, c'était généralisé à toutes les régions. Les femmes ont participé aux travaux et préparatoires dans, leur euh, département. Et ce sont les hommes qui sont venus à Niamey assister aux travaux, aux grands travaux préparatoires de la conférence. Donc on a respecté, on, s'est communiqué et on s'est levé tout d'un coup, on a battu le pavé. Il y a eu un déferlement humain, une marée humaine qui a quitté certaines places pour aller se plaindre à qui de droit pour faire une sorte de mémorandum. Et à la suite de ceci, il y a eu un changement, il y a eu un foisonnement des partis politiques, un foisonnement des ONG, un éveil politique des femmes, une émulsion politique et sur tous les plans. C'est ainsi, on n'avait même pas de ministère, on avait euh, une direction de la promotion de la femme. Et suite à notre lutte, cette direction a été érigée un ministère de la promotion de la femme, de la population, etc., etc., qui a éclaté en deux ministères, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et le ministère de la population. À la tête de ces deux ministères, il y avait des femmes. C'est une lutte qu'on a menée. Et présentement, ce ministère, la, lutte-là, euh, le ministère a été découpé de la population pour aller se greffer au ministère de la Santé. C'est comme si euh, notre lutte est on, est revenu un pas en arrière. Neuf ans plus tard, il y a eu la loi sur le quota. On a vu que malgré cette marche, malgré tout, euh, les femmes étaient toujours marginalisées. Alors on s'est euh, réunis encore sous l'égide du ministère de la promotion de la femme, la Quangafn, le RDFN, l'AFN et l'UFN, toutes les sensibilités. C'était en quelle année ça C'était tout juste en 2000 de là, on avait seulement une femme députée et en ce moment-là, par la suite. Et c'est par la suite que les femmes sont devenues euh, plus nombreuses euh, à l'Assemblée. D'accord, merci beaucoup Madame Thiari. Il faut noter que la commémoration chaque année de la journée nationale de la femme nigérienne offre l'occasion à tous les acteurs et aux femmes elles-mêmes de voir les avancées en termes de promotion de la femme. Madame Hawa, depuis cette journée, il y a 32 ans, est-ce qu'il y a des avancées on peut vraiment notifier qu'il y a vraiment une avancée très significative, puisque c'est juste euh, euh, après la coloration de chaque fête, les femmes euh, se rencontrent dans un village, la fête elle est tournante. On part chaque fois dans une localité un peu enclavée où les femmes ont des revenus faibles pour les assister. Ça, c'est une avancée. Et, euh, juste au sortir de, de cette lutte encore, on a eu un gain comme euh, la loi sur le quota et aussi euh, la loi sur le quota au niveau des postes aussi de nomination. Vous nous parlez de, de fêtes tournantes que vous faites dans certaines localités. Hein? Est-ce qu'au sortir de ces fêtes, il y a vraiment quelque chose qui ressort de, très important pour euh, ces femmes Ce qui ressort de très et important, c'est que le ministère de la Promotion de la Femme, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, on arrive à octroyer des dons très significatifs à ces femmes-là. On les octroie aussi des fonds de commerce pour les AGR. On leur donne vraiment eh, une importante quantité de vivres, une importante quantité de semences pour euh, faire le jardinage. On les octroie des moulins à grains pour l'allègement des tâches domestiques. Et vraiment, on les sensibilise surtout sur les droits de la femme et les droits de la jeune fille. Mhm. Donc c'est vraiment une avancée. Madame Chiari, pouvez-vous dire qu'il y a aussi une avancée, comme euh, l'a dit Madame Hawa Est-ce qu'il y a une meilleure représentation des femmes dans les institutions étatiques et privées D'abord, je vais la compléter. il y a une, surtout par rapport aux femmes rurales, parce que cette avancée-là, ça ne concerne pas seulement les femmes citadines, elle a parlé des moulins à grains et autres parce que la femme rurale travaille 21 heures sur 24 heures. Il y a la corvée du bois, il y a euh, le, le, le, le, mille qu'elle pile, et il y a aussi la corvée d'eau. Et c'est très important. leur emploi du temps a été allégé par, les, par la création des fourrages avec les bailleurs du fonds, comme euh, elle l'a dit, et aussi euh, les moulins à grains. Ça a diminué leur emploi de temps. Euh, leur emploi de temps est allégé et elles font des AGR, des activités génératrices de revenus. C'est un nouvel emploi de temps. Elles se libèrent même pour faire de la politique. Parce qu'au au départ, elles étaient tellement euh, chargées qu'elles ne peuvent même pas faire de la politique. Maintenant, on voit que malgré qu'elles soient analphabètes, elles peuvent être conseillères, elles peuvent être députées, etc., etc. Donc, parce que leur emploi de temps et allégé. Maintenant, au niveau de la ville, au niveau des institutions, c'était une femme parlementaire. Et d'une femme, on a passé actuellement à 50 femmes, 51 femmes députées. Il y a eu une avancée. Le quota est plus que respecté. Il y a eu 6 femmes ministres sur 30. Certes, là, le quota n'est pas bien, bien respecté parce que si on dit quota, c'est de l'un ou l'autre sexe. Parce que le quota a eu trois mutations. En 2000, en 2014 en 2019. Et euh, jusqu'à présent, ce quota-là, ce n'est pas le quota des femmes. C'est un quota qui concerne l'un ou l'autre sexe, on l'a dit. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait six ministres. Il peut y avoir euh, femmes, il peut y avoir 30 ministres femmes et six ministres hommes. Donc, euh, les hommes tirent le drap de leur côté pour dire que c'est notre quota. Ensuite, au niveau Mais que faudra-t-il faire pour que cela change On a, j'ai pas fini on a, le poste de gouverneur, on l'a perdu. Il y a huit gouverneurs, il y a une seule femme dans le temps. Maintenant, la femme, le poste de la femme a disparu. C'est comme si notre lutte a régressé un peu. Parce qu'il ne faut pas qu'on lutte et qu'on régresse. Ce qu'il faudrait faire, c'est rebattre une stratégie, rabattre encore euh, le pavé. L'histoire se répète. On a marché, il faut qu'on remarche si, l'occasion, on, se constate encore pour, euh, pour révéloter. On fait des lobbying, on va faire des plaidoyers, quitte même à moderniser notre stratégie en faisant des sittings, en faisant des mémorandums, mhm. n'est-ce pas Et puis approcher les hommes influents, approcher peut-être les femmes parlementaires qui, qui peuvent voir le président de la République, approcher la ministre de la promotion de la femme, approcher le président de la République, approcher la première dame ou les ex-premières dames, mhm. etc. L'influence. Parce que nous, on n'a pas accès au président. Et peut-être parler dans les radios communautaires comme Kalangu et autres, peut-être qu'on va entendre notre voix. Mais il faut qu'on recommence cette lutte-là. Mhm. Parce qu'il y a des pays qui sont jusqu'à la parité. Nous-mêmes, le quota n'est pas effectif, il n'est pas respecté dans sa plénitude. C'est là le, problème. Il ne s'agit pas de dire le quota, le quota, mais il faut l'application stricte des textes. Mhm. On constate qu'il n'y a aucune femme gouverneure au Niger. Quelle explication pouvez-vous donner à cela L'explication est très simple. Nous sommes dans un pays laïque musulman à 90%. Ce sont des préjugés socioculturels. Si ce n'est pas maintenant avec les sensibilisations, on sensibilise les oulémas et autres, la femme ne peut pas élever la voix devant les hommes sur le plan islamique. Alors, vous savez, euh, dans un pays où il y a un chef de canton, un chef de province, etc., un, chef, la femme ne peut pas être euh, reine dans ces contrées-là. C'est ça qui fait une réticence. Il y a des régions où ça peut marcher. Par exemple, à Niamey, on peut mettre une femme gouverneur parce qu'il n'y a pas de chef religieux, il n'y a, pas, il y a pas, religieux, mais il n'y a pas de chef de canton, il n'y a pas de ceci. Mais dans des contrées où il y a ces chefs de canton, c'est un peu difficile. Une femme ne peut pas venir euh, jouer euh, un rôle de premier plan euh, dans certaines régions. Mais il faudrait un changement de comportement. Il faudrait sensibiliser ces chefs-là pour dire que euh, les temps ont changé et, heureusement de plus en plus, ces chefs de canton, ces chefs de province sont des intellectuels. Ils ont compris, ils prennent ce pouvoir divin pour en faire le leur. Ils comprennent bien la situation. Peut-être avec un changement de comportement, il y aura une femme gouverneur. Mais ceci est un rêve encore au Niger, comme une femme président. Vraiment, on peut rêver seulement. Nous allons à présent suivre quelques témoignages recueillis sur euh, notre thème. On les écoute. C'est depuis les années 91 que la lutte pour les droits des femmes a commencé. Dieu merci, il y a beaucoup d'avancées. Car avant, le nombre de femmes au niveau de l'hémicycle était très réduit. Mais aujourd'hui, on a 50 femmes députées. On a même des femmes conseillères, vice mères mères aussi. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans des projets, des femmes préfets et même des femmes ministres. Il y a des années, si les femmes étudient, c'est pour être enseignantes ou agentes de santé. Alhamdulillah, maintenant les femmes sont partout dans l'administration. Et celles qui n'ont pas eu cette chance font du petit commerce. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui évoluent dans l'entrepreneuriat grâce au soutien de l'État et de ses partenaires pour que les femmes aillent de l'avant. La promotion de la femme aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Avant, les femmes qui n'ont pas été à l'école ne savent ni lire ni écrire. Présentement, ces mêmes femmes non scolarisées savent lire et écrire grâce au programme d'alphabétisation des adultes. Elles savent même composer des numéros et passer des appels pour gérer leur petit commerce. En ville, c'est normal, mais le changement, c'est au niveau des villages. Les femmes sont très émancipées dans les régions. Elles sont très actives. Dieu merci, la lutte a vraiment payé. Mais il faut encore booster les femmes pour une meilleure représentativité dans tous les domaines. Certainement, les femmes ont eu beaucoup d'évolution du moment de la marche à ce jour. Au début, les femmes et même certains hommes n'ont pas compris la démarche. Certains pensent que le droit de la femme, c'est une façon de montrer que la femme est l'égale de l'homme, qu'elle peut même faire des choses au-delà de ce que l'homme peut faire. Heureusement que l'État et les ONG ont fait beaucoup de sensibilisation sur ce domaine. Le droit, c'est mettre la femme dans les bonnes conditions, lui donner une liberté de s'épanouir et exercer les activités génératrices de revenus pour subvenir à ses propres besoins et ceux de sa famille. De mon point de vue, certes, il y a des avancées, mais beaucoup reste à faire. Les femmes n'ont pas encore eu gain de cause à 100%. À notre niveau, nous, les personnes en situation de handicap, nous sommes oubliés. Rares sont les occasions où on s'intéresse à nous. On ne nous implique pas dans des activités. Dieu merci, ces dernières années, ça va un peu. Bien que les autres femmes ignorent même la journée du 13 mai, mais l'édition passée, on nous a invités dans un village. Nous avons montré tout ce que nous faisons comme AGR et autres. Au niveau des associations, ces derniers temps, on s'intéresse beaucoup aux femmes, surtout nous, les femmes en situation de handicap. De temps en temps, on nous associe dans des formations, des ateliers et ainsi de suite. C'était quelques témoignages qu'on a recueillis dans certaines régions. Madame Hawa, que pensez-vous de ces témoignages qu'on vient d'écouter Donc, euh, par rapport à ces témoignages, elle a vraiment relaté les avancées que les femmes ont eues à travers vraiment la célébration des journées de la femme. Elle a fait, elle a évoqué les exemples des moulins à grains que le gouvernement a mis en place dans l'école les plus reculés, et elle a aussi fait cas des renforcements des capacités que les femmes ont reçues à travers euh, la pratique des, AGR, activités génératrices de revenus, à travers euh, le jardinage que les femmes font, les culture de contre-saison et aussi l'embouche dont les femmes sont maintenant capables de faire. Et tout ça là à travers euh, vraiment des renforcements des capacités qu'ils ont eu au niveau de l'État et ses partenaires. Mhm. Et vous, Madame Chiari, avez-vous une lecture à faire euh, sur ces témoignages Oui, elle a surtout parlé, euh, si vous voulez, des AGR, des avancées. Et le point le plus sensible, elle a touché du doigt, l'analphabétisme des femmes ne les a pas empêchées d'être, euh, euh, si vous voulez, des conseillères et même des députés. Et elle a montré aussi que la femme a évolué. Il y a eu un éveil politique de la femme, il y a eu un éveil économique de la femme. Et elles auraient aussi dû parler euh, de, de l'éducation. Il faudrait qu'elles sachent qu'il faudrait qu'elles se scolarisent, qu'elles s'alphabétisent, qu'elles aient accès à l'éducation, qu'elles aient accès à la santé parce que c'est important. On a vu qu'avec euh, cette avancée, les femmes partent faire des pesées, partent dans, les, centres de santé. Et la femme aussi a accès à la justice. Avant, elle ne se plaignait pas, elle s'était. Et maintenant, elle, peut aller se plaindre là où besoin s'ensuit. quoi. Donc, euh, il y a eu vraiment, elles ont remarqué qu'il y a eu quand même, malgré qu'elles soient dans des contrées éloignées, il y a eu des avancées surtout sur le plan rural. Cet ensemble, nous parlons bien sûr des femmes, représente pourtant un peu plus euh, de 50% de la population nigérienne d'après le recensement général de la population et de l'habitat en 2012. Qu'est-ce qui entrave donc euh, réellement l'autonomisation de la participation accrue de la femme à la gestion de la vie politique Et d'abord, on parle de la pauvreté qui, a un visage féminin. Le pouvoir économique de la femme est très faible qui détient le pouvoir économique au Niger Ce sont les hommes. Malgré qu'on soit 51%, nous sommes les plus pauvres. Le pouvoir politique, c'est les hommes qui le détiennent. Le pouvoir judiciaire, ce sont les hommes qui le détiennent. Tous les pouvoirs sont détenus par les hommes. Les femmes sont marginalisées sur tous les plans. Et même politiquement, ils sont plus forts parce qu'ils ont les moyens de faire de la sensibilisation et autres. La femme, même si elle a une masse derrière elle, nous sommes le bétail électoral. Nous avons du monde derrière nous, mais nous n'avons pas les moyens d'entretenir ce monde-là qui est derrière nous. Et vous voyez, les gens sont gourmands. Dès qu'il y, a la politique qui s'érige politiquement, au moment des, si vous voulez, des campagnes électorales, l'homme se sent plus à l'aise que la femme parce qu'il a, il a le moyen, il sait parler, il sait amadouer. Et la femme, jusqu'à présent, il nous faut un renforcement de capacité. On n'a pas de stratégie pour attirer, euh, si vous voulez, nos militantes pour qu'elles votent pour mhm. D'accord. Madame Hawa, donc comment venir à bout de ces difficultés Pour euh, venir à bout de ces difficultés, l'État, chaque année, à l'occasion de la fête du 13 mai, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, met en place un comité afin de réfléchir sur les droits de la femme et la prise en compte des besoins immédiats et stratégiques des femmes dans toutes les politiques et programmes de développement. Madame Kari disait que le pouvoir, euh, les prises de décision revenaient toujours aux hommes. Donc, selon vous, qu'est-ce que la femme elle-même doit faire pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir prendre aussi la parole, participer aux prises de décision C'est cette loi qui protège les femmes qui leur donnent accès à se représenter au niveau des postes législatifs et des nominations. Et ce quota-là est en train d'être respecté parce que aux, dernières élections, le quota est même plus que respecté. Ici, à l'Assemblée nationale, on a plus de 25% des femmes, alors que le quota donne accès à 25% des femmes. Donc vraiment, il y a une avancée significative. D'accord. Madame Kiari, en se référant à ce que vous nous avez dit, pensez-vous que ces femmes, elles ont vraiment accès à cette loi Parce que vous nous avez dit que les prises de décision revenaient aux hommes. Et il y a un changement. Oui. Parce que les partis politiques ont pris conscience. Même pour les listes de députations, les listes des femmes conseillères, c'est les têtes des listes qui sont importantes. Les femmes, maintenant, de plus en plus, on tient compte des têtes de liste. Et même si vous présentez une liste, s'il n'y a pas de femmes, la, Cour constitutionnelle rejette cette liste-là. Mhm. Donc, de plus en plus, il y a des lois qui nous protègent, nous les femmes, de plus en plus. Mais c'est le respect effectif de ces lois-là. Elles existent, elles existent, mais leur vulgarisation, la sensibilisation, le porter à la les faire porter à la portée de tout le monde. C'est ça qui cause problème. Il faut les vulgariser parce qu'elles sont méconnues, surtout que nous, les femmes, beaucoup sont analphabètes. Donc, il faudrait de plus en plus alphabétiser les femmes, il faudrait scolariser la femme, il faudrait lui faire un renforcement de capacité. Il y a CARE, il y a SNV, il y a ONU Femmes, etc., qui font ces renforcements de capacité aux, approches des, élections. Mais il ne faut pas attendre aussi l'approche des élections pour renforcer les capacités des femmes. C'est un travail qui devait être continu. Si vraiment il y a un frein pour le développement et politique des femmes, s'il y a un frein, on peut souligner le faible pouvoir économique des femmes. C'est ça en réalité qui constitue le frein. Le plus gros problème. Le plus gros problème, parce que les femmes n'ont pas vraiment de l'argent pour investir dans la politique. Parce que quand on fait la politique, il faut vraiment être vraiment outillé sur les plans argent. Il faut donc comment les femmes peuvent avoir ces, euh, de l'argent pour préparer les campagnes. On peut peut-être euh, oui, ça c'est une question, mais est-ce que le ministère a prévu quelque chose, une stratégie par exemple pour outiller ces femmes financièrement Vraiment, le ministère. Mm-hmm. Oui. Ce sont les, ONG mm-hmm. comme CARE et autres, mm-hmm. et, beaucoup d'ONG donnent une certaine somme aux femmes candidates. Certes, ce n'est pas dérisoire, mais c'est un appui institutionnel, une sorte d'appui pour les accompagner. Parce que quand on, est, on est candidate, il faut un logistique, il faut une voiture, il faut euh, un peu de, moyens pour se déplacer. Des jours et des jours, on fait des mois même en train de battre campagne. Ça nécessite vraiment de, gros capitaux. Alors on appuie. C'est ce qui fait que malgré l'appui de ces ONG-là, qu'on salue d'ailleurs, il faudrait que la femme ait accès au moment opportun à, à certaines banques. Il faudrait euh, que les mutuelles les aident, qu'il y ait des banques féminines uniquement pour ce genre d'opération. D'accord. Si j'ai bien compris, les appuis financiers viennent uniquement des ONG et non du ministère. Le ministère n'appuie pas, mais le ministère peut-être peut faire un renforcement de capacité pour un éveil politique en, en genre, en démocratie, etc., et en vie associative, en démocratie, comment voter, etc., des préalables, quoi, des renforcements de capacité classiques qu'on connaît en leadership. Ça, le ministère le fait. Les hum. ONG le font, mais aussi le ministère le fait. Mais quant à appuyer, le ministère même se cherche, parce que lors des discussions budgétaires, le ministère n'a rien. Il n'a presque pas le pourcentage qu'on alloue à ce ministère de la promotion lors des discussions budgétaires. C'est très faible. Et vraiment, on, lance un cri de cœur pour qu'on appuie le ministère de la promotion de la femme pour, pour certaines activités. Place maintenant au portrait de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de Amina Niendou, la présidente de l'Association des professionnels africaines de la communication section du Niger APAC. Âgée de 49 ans, Amina Yendou est veuve, mère de trois enfants. Après l'obtention de son diplôme en maintenance audiovisuelle, deuxième technicienne majeure de sa promotion en 2000 à l'EFTIC, Amina est actuellement titulaire d'un master en communication pour le développement. Présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC section du Niger et aussi une femme battante qui milite pour les droits des femmes. Un combat qui a vu le jour dès son bas âge. Elle nous raconte. Bon, euh, ma motivation, elle provient de ma cellule familiale. Euh, je suis ici d'une famille de 10 enfants, dont 9 vivants. Et sur les 9 vivants, sur les 10 globalement, nous sommes 8. Et je pense que le fait que nous sommes majoritairement filles a joué beaucoup euh, sur ma condition actuelle. donc du coup, toutes ces choses-là euh, m'ont amené un sentiment de défendre la cause des filles. Déjà à l'école, à l'école primaire, j'étais la déléguée pratiquement de de mon école primaire, quand on, fait des choses, on, nous déléguait toujours pour aller prendre la parole. Ou, au collège également, euh, c'est avec nous que la section collège-lycée a commencé. Donc euh, j'étais militante et particulièrement j'étais euh, l'une des rares filles à, à, piloter un collège. Donc j'étais présidente de collège parce que c'est l'année là qu'on a eu l'idée avec le nombre des filles de faire des présidentes uniquement pour des filles. Amina Nyendou milite dans plusieurs associations qui se battent pour les causes de la femme. Je suis membre de la CONGAFET, parce que est membre fondateur de la CONGAFET, le collectif des organisations féminines du Niger, des ONG et associations féminines du Niger. J'ai aussi d'autres activités pour ma passion de servir également ma communauté. Je suis membre de, de Rotary, international. Et donc Rotary Niger, euh, je suis membre du club Croix du Sud Niger. Euh, je suis membre de Toastmaster. Toastmaster, c'est un mouvement qui permet d'améliorer notre capacité de prise de parole, de leadership, machin. Donc, je suis membre de Toastmaster également. Madame Amina s'est dit satisfaite de son combat. Ah, j'adore. J'adore ce que je fais. Peut-être que c'est intrinsèque, la passion que j'avais, que j'ai pour les femmes, parce que je l'ai toujours. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai arrêté de me, de me présenter comme experte genre. Je me présente euh, juste comme un féministe. Je suis féministe en l'âme. Je me bats pour les questions de femmes, parce que maintenant, avec l'évolution, les gens font l'amalgame genre, les gens pensent que c'est le genre, euh, c'est fourre-tout, machin. Non, euh, moi je préfère dire que je suis pour les droits des femmes, je défends les droits des femmes, je fais en sorte que la femme soit valorisée. Ses collaborateurs, Amina Noma, chargée de programme à la PAC, et M. Massaoudou, apprécient le courage de Mme Amina Nyandou. Ce qu'elle fait dans sa vie, qui elle est. C'est pour cela que je dis waouh. Madame Amina Nyando, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme battante. Et je vous assure, euh, dans toute ma vie, moi je n'ai pas connu de femme pareille. Femme battante, femme qui lutte pour, euh, pour son prochain, femme qui, qui défend les autres. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Et sincèrement, au début, je n'avais aucune idée de ce que c'est que la gestion de projet, ce qu'il faut faire, la rédaction de termes de référence, faire des budget, tout ça là. Sincèrement, j'ai tout appris de cette femme. Elle m'a tout montré. Elle a été très patiente avec moi. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je lui dois tout. Et je disais, je suis à Pâques depuis 2016. Aujourd'hui, c'est, nous sommes en 2023. Regardez le temps que ça fait. Elle nous pousse à aller au-delà de, de nos limites. Des fois, on trouve que c'est dur, on peut pas y arriver, mais quand même, elle nous aide à aller de l'avant. Sincèrement, Madame Amina est un très bon mentor. Je remercie le bon Dieu de l'avoir croisée sur mon chemin <laughs> dans ma vie. <laughs> oh, c'est une femme d'exception. Hein. Je sais que c'est une femme très battante, franchement. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec elle des heures, des heures, des heures et des heures moi, je suis actuellement, je sors de l'une de ses activités. J'aime des choses, euh, des attitudes qu'elle a dans la collaboration, c'est-à-dire elle est franche, elle dit ce qu'elle pense, euh, elle débat, elle donne ses arguments, elle sait défendre ses idées. Chacun a un talent dans la vie. Qu'on le connaît ou pas, c'est un renforcement des capacités et un accompagnement qui peut faire en sorte que ce talent émerge pour que les autres le découvrent, déclare Madame Amina Nyandou. Au Niger, les femmes sont une majorité, c'est à elles de se battre pour avoir cette considération. Madame Kiar, que pouvez-vous nous dire sur Amina Nyandou Vous la connaissez Oui, je la connais dans la mesure où elle est membre de REFEPA, un autre réseau où je milite, le réseau des femmes pour la paix. APAC est membre. Et vraiment, elle est très sérieuse. Elle euh, verse régulièrement ses cotisations. Et aux réunions, si elle n'est pas disponible, elle, envoie une de ses subalternes pour assister aux réunions et tout ça là. Donc, euh, vraiment sur le plan communication aussi, euh, c'est une femme, euh, je peux dire, très compétente. Et moi, j'ai entendu son nom sans l'avoir d'abord. Donc, vous voyez, j'ai une, une bonne idée d'elle, une belle image d'elle. Euh, et vraiment, c'est une femme, je voudrais qu'elle réussisse, qu'elle soit peut-être un jour même à la tête du Conseil supérieur de la communication mhm. et qu'elle soit récompensée sur le plan surtout euh, professionnel. Parce qu'il n'y a rien de plus euh, frustrant que de ne pas être récompensée sur le plan professionnel. Et vous, Madame Hawa, connaissez-vous Amina Oui, je connais également Amina Nyandou, et rien que la semaine s'est passée, on était ensemble à, au Mahatma Gandhi pour, euh, pour euh, le colloque des femmes africaines sur la paix et la sécurité. Elle a participé au colloque où vraiment elle a intervenu pour donner ses contributions en fonction de la paix et la sécurité pour que les femmes vivent en paix et sécurité. Elle nous a aussi formés sur toujours euh, femmes et médias, comment les femmes doivent euh, être pour avoir accès aux médias. Donc vraiment, j'ai apprécié et j'ai appris aussi beaucoup de choses avec elle durant cette formation qui a duré cinq jours. Donc j'ai apprécié vraiment ses talents plus de 30 ans après l'institutionnalisation de cette journée, il en ressort qu'en dépit des efforts déployés par différents acteurs, plusieurs défis restent encore à relever pour concrétiser la participation accrue de la femme à la gestion de la vie publique, par ailleurs synonyme de son autonomisation. Quels sont ces défis qu'elle doit relever, Madame Hawa On continue avec vous. Les défis que les, femmes doivent relever pour euh, vraiment la participation à la vie active, la femme doit montrer ses talents, son leadership caché. Elle doit vraiment les mettre en exergue. elle doit faire comprendre à la communauté qu'elles sont aussi capables de participer pour leur autonomisation. Donc, elle doit se manifester, prouver à toute la communauté leur capacité. Et la même question pour vous, Madame Kiari quels sont les défis que ces femmes doivent relever pour aller de l'avant La femme doit avoir confiance en elle-même. Parce que si vous n'avez pas confiance en, vous-même, personne n'aura confiance en vous. Et pour s'autonomiser, eh, qu'il s'agisse de la femme rurale ou bien qu'il s'agisse de la femme citadine, la femme rurale doit comprendre qu'elle ne doit pas rester les bras croisés. Elle doit faire quelque chose, profiter des AGR que les bailleurs de fonds donnent qu'elle ait un éveil politique, qu'elle ait un éveil économique, qu'elle ait beaucoup d'éveil, qu'elle soit sensibilisée, qu'elle soit émancipée, qu'elle s'alphabétise et qu'elle se scolarise. Mhm. Et en ville, il faudrait euh, continuer à arracher nos droits. Il ne faut pas laisser les bras ballants. Il faut que la lutte continue. Ce n'est pas fini. On est à mi-chemin. Il faut vraiment qu'on continue cette lutte parce qu'on a remarqué que tantôt nous régressons, tantôt nous avançons et c'est un aller-retour. Il faudrait bien qu'on arrache le droit, qu'on fasse comprendre à l'État, au, au gouvernement, que vraiment nous sommes là, que sans la femme, il n'y aura pas de développement. Sans la femme, un pays ne peut pas euh, se développer. 32 mhm. ans après cette marche du 13 mai 1991, est-ce que leurs revendications ont apporté leurs fruits il y a beaucoup euh, d'avancées quoi, quoi, là, il y a bien ».« Qu'il y a ta qu'il y ta tabia donc vraiment et ça les autorités sont conscientes mais il ne faut pas qu'on se voile la face on n'a pas gagné encore la guerre et il faut continuer à guerroyer il faut continuer à faire des plaidoyers il ne faut pas baisser les draps il faut qu'on arrive à la parité parce que quota quota le quota va faire son temps le quota va disparaître un jour il ne sera plus d'actualité alors il faudrait vraiment lutter pour avoir eh, la parité, comme mhm. au Sénégal. Au, Chili, les femmes sont arrivées, une femme est élue présidente sans, sans quota. Pourquoi pas au Niger Je ne dis pas qu'au Niger, il y aura une femme présidente, c'est un rêve pour le moment, mais eh, il faudrait quand même qu'on aspire aussi eh, à des hauts postes politiques. Et il y a eu des avancées parce que vous savez bien, c'est surtout sur le plan FDS il n'y avait pas de femmes gendarmes, il n'y a pas de femmes militaires, il n'y a pas de femmes euh, forêts, il n'y a pas de femmes sapeurs-pompiers, il n'y a, pas de femmes gardes républicains. Euh, Au Britannique, on n'ose même pas parler de femmes dans le temps, mais maintenant, euh, c'est faisable. Donc, vous voyez, il y a eu des avancées, il y a des femmes pilotes, etc. Des métiers que les, femmes mécaniciennes, des métiers que les hommes font, les femmes peuvent le faire. Certes, on n'a pas la force musculaire de l'homme, mais quand même, on essaie quand même euh, d'approcher, d'aspirer à certains travaux. Madame Hawa, que faudra-t-il faire euh, pour promouvoir les femmes au Niger sur le plan social, économique et politique Quelles sont vos recommandations pour les femmes partout au Niger, qu'elles soient citadines ou bien des zones euh, rurales, pour promouvoir les droits de la femme et veiller à leur application Donc, pour promouvoir les droits de la femme, partout au Niger. Et veillez surtout à leur application. Oui, c'est puisque ce qui est important, très important, c'est l'application. Parce qu'on a vraiment beaucoup de textes ratifiés par le Niger pour la promotion des droits des femmes, mais c'est l'application qui n'est pas toujours effective, comme l'a dit Madame Chari. Donc, euh, il faudrait un peu bousculer le Parlement pour l'adoption des textes nous pouvons vraiment citer parmi les textes qui prévoient la promotion de la femme. Nous avons entre autres parmi les textes là les conventions internationales relatives aux droits de l'homme au niveau régional et sous-régional. Le Niger a fait preuve d'engagement en matière de droits de l'homme. Il a en effet ratifié cinq des six traités relatifs aux droits de l'homme de l'Union africaine en particulier le, droit de la femme, le Niger a mis en place la politique nationale du de genre qui est appliquée et ce sont vraiment ces textes-là qui prévoient et qui luttent pour les droits des femmes. Madame Kiari, quel est votre dernier mot pour lutter contre toutes euh, ces formes de discrimination à l'égard de la femme, pour euh, promouvoir les femmes au Niger sur le plan social, économique et politique Donc, euh, comme elle l'a dit, il faut respecter le genre. Le genre, c'est l'homme et la femme, c'est les personnes en situation euh, d'handicap, ce sont les personnes âgées, etc., etc. Mais il faudrait s'arrêter un moment pour savoir ce qui a été fait sur le plan texte, qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui reste à faire. Nous en sommes où Parce que on marche sans savoir où aller. Donc on s'arrête, on fait un état des lieux de notre lutte. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire Et il faut un suivi strict de ces textes-là. Il ne s'agit pas de faire, des textes, il s'agit de les vulgariser pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, surtout la, la, population rurale, les traduire en langue, toutes les langues. Et si c'est fait, qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui reste à faire Qu'est-ce qui a été appliqué Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué Et attirer le gouvernement que c'est du sérieux et il ne faut pas qu'on continue à nous marginaliser. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une lutte qu'on est en train de mener. Il ne faut pas qu'on aille de l'avant qu'on revienne en arrière. Parce qu'on a vu que c'est un ping-pong. Tantôt on respecte le quota, tantôt on ne respecte pas le quota. Il faut l'application stricte des textes et le suivi. Il faudrait peut-être faire un comité pour le suivi de ces textes-là, pour la vulgarisation et pour leur application stricte. Je vous remercie. Voilà donc euh, un résumé de prime abord, même si les premiers mouvements ont permis de poser certaines revendications de taille sur l'espace public et que certaines organisations féminines se sont spécialisées à la suite dans la défense des droits de la femme. Il faut souligner qu'il y a une nécessité d'un véritable changement de comportement à tous les acteurs pour favoriser la jouissance des droits des femmes et des avancées. Selon nos invités, des avancées sont aussi présentes et pour qu'elles puisse encore aller de l'avant, la femme doit être talentueuse et mettre son leadership en avant pour aller de l'avant. Elle doit aussi avoir confiance en elle-même. Les femmes doivent lutter pour avoir la parité et selon toujours nos invités, depuis cette date du 13 mai, il faudra faire un état des lieux de tous ces textes pour éviter la marginalisation des femmes, n'est-ce pas, Madame Chiari Nous sommes euh, au terme de ce forum Espace Femmes qui a porté sur les avancées des femmes dès la vie en général depuis la marche du 13 mai. Merci chers invités d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi chers auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain pour un autre thème Espace Femmes. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de nous quitter, je vous propose de suivre notre rubrique Affairage. Excellente soirée à tous. Affairage, affairage, affairage, affairage. petite soeur, comment tu vas Ça fait longtemps. Toi, on ne te voit que lors des cérémonies, vraiment. Je vais bien, grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolé, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu, ainsi que les enfants et leur père Ils vont tous bien, Wallah, Dieu merci. Tu sais, grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire Peux-tu m'en dire un peu plus Mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler, et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Je ne sais vraiment plus où donner de la tête. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois raisonner ton mari car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire. Mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé. Hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants, mais dès qu'ils mettent pied à la maison, impossible de leur faire faire quelque chose parce qu'il pacte directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je l'ai maltraité. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines lourdes tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande sœur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier à ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition.